le forum du studio le forum du le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du le forum du le forum du le forum du le forum du Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du Forum de la presse du studio Kalangou, le studio Kalangou que vous écoutez à travers nos 20 radios partenaires dans tous les chefs-lieux de région du Niger ainsi que 12 autres localités. Les programmes du studio Kalangu sont également disponibles sur Internet à travers notre compte Twitter, notre page Facebook et le site web studiokalangou.org. Le forum de la presse, c'est chaque vendredi avec des confrères de l'audiovisuel, de la presse écrite ou en ligne pour discuter des faits ayant dominé l'actualité de la semaine. Au menu du forum de ce soir, nous allons largement revenir sur les affrontements entre forces de l'ordre et étudiants le lundi 10 avril dernier ici à Niamey et les autres manifestations scolaires et étudiantes en région. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel bilan tiré? Quatre jours après ces événements, quelle analyse faire de la gestion de cette crise et quelle réponse immédiate apporter pour sauver l'école nigérienne qui a connu cette année suffisamment de soubresauts Sur le plan judiciaire, nous allons discuter du cas de l'acteur de la société civile Michael Zodi qui a comparé mercredi contre qui il a été requis six mois de prison ferme et ainsi qu'une amende de 50 000 les délibérés étant prévue pour le 18 avril prochain. Nous allons évoquer aussi cette plainte contre X déposée au parquet par la société civile pour faire tout la lumière sur l'affaire dite Iranium Gate. Une caution de 20 millions serait exigée pour ouvrir l'enquête. Volet santé, c'est hier dit que le ministère de la Santé publique a procédé dans le village de Kahé, une trentaine de kilomètres de Niamey, au lancement officiel de la campagne de vaccination contre la méningite qui sévit en ce moment dans plusieurs districts sanitaires. Au plan sous-régional, le poste de président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine IMOA est enfin revenu au Niger pendant des mois. Le Niger et le Sénégal s'est discuté mal le fauteuil. Comme invité avec nous, nous avons Jafar Maman, directeur de publication du journal L'Indépendant. Bonsoir Jafar. Bonsoir. Ousseini Issa, journaliste indépendant, avec nous également dans ce studio. Bonsoir Ousseini. Bonsoir. Et Elaj Mohamedou Suleiman, qui est journaliste au niveau du journal en ligne, le journal en ligne, Niger Inter, ainsi que le journal Le Républicain. Bonsoir Suleiman. Merci à tous d'avoir honoré notre invitation. Mesdames et messieurs, bonsoir. merci de rester fidèles au programme du studio Kalangu. Nous ouvrons ce forum par les affrontements qui ont eu lieu le lundi 10 avril entre forces de l'ordre et étudiants. La semaine qui a précédé ces affrontements, vous vous souviendrez, les scolaires avaient par deux fois reconduit leur mode d'ordre de suspension des activités académiques. Parmi les revendications, les conditions de vie et d'études, notamment les questions d'aide sociale, de bourse. Tout s'est réparti le matin du lundi 10 avril lorsque se tenait une réunion du comité exécutif de l'Union des étudiants de l'Université Abdoumouni et nous, sur le campus. Les forces de l'ordre en position aux abords du campus auraient commencé à tirer des gaz lacrymogènes. Les étudiants ont répondu par des jets de pierre. Le bilan officiel relève, relève un mort côté étudiant, de nombreux blessés et plus de 300 étudiants arrêtés. Je vous propose tout de suite de suivre euh, ces témoignages d'étudiants qui ont vécu la situation ces gens-là, les, forces de l'ordre, armés jusqu'aux dents avec euh, les gaz lacrymogènes et des matraques. Ils ont pris d'assaut la cité universitaire. Je suis frustré. Il y a un camarade qui est décédé. C'est un sentiment d'amertume et de désolation qui m'anime. Et il y a eu un dégât énorme au niveau de la cité. donc c'est un sentiment de désolation qui m'anime aujourd'hui. Ils ont tabassé le camarade, moi je même vis. Ils ont gazué les camarades, le bâtiment. Vous venez là donc euh, d'écouter ces témoignages d'étudiants. Il faut noter que le même jour, le campus a été également fermé jusqu'à nouvel ordre par le ministre euh, de l'Enseignement supérieur, euh, ben, M. Omar Ben, que je vous propose d'écouter. Par le passé, vous avez vu, euh, ce sont les bus qui sont pris, qui, bloquent la voie publique. Cette fois-ci, nous avons pris les dispositions pour ne pas mener les bus. Nous avons fermé le, campus, on n'a pas fermé l'université. Nous avons fermé le campus pour voir clair, pour mettre de l'ordre. L'année, Inch'Allah, ne sera pas blanche. Ceux qui rêvent et qui caressent ce rêve, ils l'auront pas. Vous venez d'écouter le ministre Mohamed Ben Omar, le ministre des Enseignements supérieurs. Alors, euh, je m'en veux commencer avec vous, euh, Elaj Mamadou Suleiman, journaliste euh, au, journal Niger Inter. Vous avez suivi avec nous ces étudiants qui témoignaient de, ce qu'ils ont vécu ce 10 avril et des propos du ministre qui parlait de la fermeture du campus. D'abord, rapidement, une réaction à ces deux propos. oui, justement, une réaction d'indignation comme tous citoyens. En tout cas, c'est révoltant ce qui s'est passé euh, une fois qu'on a euh, une perte en vie hum, euh, humaine, que, cela veut dire qu'il y a une défaillance. et c'est bien regrettable justement qu'on arrive à ce niveau. maintenant, la situation ainsi créée, le campus est, fermé. je pense que, franchement, quand on considère qu'aujourd'hui, il y a des étudiants qui n'ont pas où aller véritablement, des filles, des jeunes filles, qui sont venus du Niger profond, vraiment qui sont jetés dans la, en pâture. Euh, je pense que comme les voix se lèvent, en tout cas pour demander à ce qu'il y ait des conditions en tout cas de dialogue, que par exemple très rapidement le gouvernement commence à rouvrir le, le, campus et créer les conditions de dialogue et effectivement créer les conditions euh, d'une solution vraiment pour qu'on puisse vraiment euh, avancer. C'est un peu vraiment mon, point de vue. Jafar, Maman, est-ce que c'était nécessaire d'intervenir pour la fermeture du campus euh? Bon, euh, vu la tournure des événements, je pense que c'est... Au fait, il faut comprendre que c'est une pratique plus ou moins traditionnelle de, des autorités euh, gouvernemental depuis quelques années. Quand il y a des manifestations pour contenir, il faut fermer le campus. n'est oh, même pas la meilleure solution, mais c'est une pratique, une tradition. Je pense que tout ce que nous sommes ici, euh, euh, on a vécu ça, mais c'était pas la meilleure solution, comme l'a dit Suleiman, mais c'est une option euh, de répression, de, de fragiliser le mouvement et amener les étudiants à, accepter la, logique du gouvernement. Mais ça, ça, ne paye pas. Mais ce qu'il faut dire euh, par rapport à cette situation, c'est euh, les mêmes armes, les mêmes réponses aux mêmes euh, questions. C'est-à-dire que, je vais dire à chaque fois qu'il y a, a un mouvement au niveau des de scolaires et, et même particulièrement des étudiants, la seule riposte, elle est policière. Et ça, c'est très, c'est très dommage qu'on en arrive à ce niveau-là. Du moment où il y a un cadre de discussion, du moment où il y a tout un conditionnement pour euh, freiner ces genre de situation, on devrait. Mais pourquoi ne même pas, si c'est la solution qu'ils envisagent être la meilleure, euh, pourquoi ne même pas fermer le campus avant même le mouvement Au lieu maintenant de, de, de semer euh, une situation aussi catastrophique et puis à, par la suite fermer le campus universitaire. Comme l'a dit Suleiman, on l'a tous vécu dans, dans, dans, dans, dans notre chair. Euh, heureusement que même maintenant, avec la disponibilité des autres centres universitaires, la situation est un peu décongestionnée. Sinon, avant, vous avez, euh, je me rappelle, en février 2001, euh, il y a eu un mouvement de ce genre avec Mordom du côté des forces de l'ordre. Et à l'époque, il y avait plus de 10 000 étudiants au sein du campus universitaire. Alors, alors, alors je me tourne vers vous, Saini Issa, journaliste indépendant. On a vu que ce qui s'est passé ce 2 avril. Rapidement, euh, votre appréciation de la situation Ma première appréciation, c'est que c'est un 9 avril bis. 9 février plutôt, excusez-moi. Parce que tout simplement, moi, je ne m'attendais pas à ce genre de réaction. Je ne m'attendais pas parce que tout simplement, je me dis, ces gens, ces étudiants-là, sur qui on est allé gratuitement, et, comme on avait dit, on est allé gazer gratuitement, on est allé gra gratuitement. C'est eux qui avaient créé les conditions pour que ces gens, que la démocratie soit dans ce pays. Et que, je ne sais plus combien d'années plus tard, on se retrouve dans une situation où les mêmes gens, ils se permettent ces genre d'actes. Moi, je considère que c'est intolérable. C'est intolérable dans un pays. On n'a pas besoin tout à l'heure les témoignages de, l'étudiant ou des étudiants, c'est qu'ils disent qu'ils ne sont même pas sortis du campus. On en voit des fois de l'ordre. Il y a eu plusieurs formations en maintien, comment dirais-je, en respect des droits de l'ordre dans le cadre des opérations de maintien. Mais malheureusement, on a comme l'impression que ces formations-là ne servent à rien du tout. Parce que vous ne pouvez pas venir vous mettre devant un campus et vous mettre à tirer. Moi, j'ai vu le campus, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je n'étais pas sur le terrain, mais de l'autre côté, au niveau d'un collège, dans mon quartier, j'ai vu ce qui s'était passé. Et ça, ça m'a choqué. Parce qu'il y, y avait des élèves qui étaient dans les, dans, dans les salles, on s'est mis à, les gazer. Alors, ce qui s'est passé à l'université, on avait euh, les étudiants ont notamment soulever euh, cette, euh, cette, franchise, cette franchise universelle euh, par les, forces de l'ordre. Bien entendu, mais il y, a une violation des franchises universelles. Ça, c'est clair. Mais moi, je ne peux pas m'imaginer que des gens, des gens qui sont arrivés au pouvoir, ils ne sont pas arrivés au pouvoir par la force. Il y a eu des conditions qui ont été créées pour qu'il y ait la démocratie. Et les États ont payé, un, un prix. Un l'autre Et les mêmes gens, ils viennent encore, ils font comme à l'époque où on n'était pas dans un contexte démocratique. Ils n'ont plus le droit d'insulter ceux-là qui avaient posé les actes là en 90. Parce qu'ils ont fait la même chose. Ils ont fait la même chose. On, était, ensemble avec les 20. Alors, euh, Suleiman Mamadou, cette violence policière, oh, euh, comment vous analysez cela, ses, causes, ses conséquences Il y a violation des franchises universitaires, ça a été en tout cas attesté par euh, une voix autorisée, à savoir le porte-parole du, du, rectorat. Euh, donc, de ce point de vue, c'est franchement assez gênant pour le ministre de la de supérieur qui a dit officiellement le contraire il a dit qu'il aurait eu, en tout cas l'autorisation des autorités rectorales, euh, rectorales euh, académiques. Donc euh, cela s'est avéré vraiment un gros mensonge. C'est gênant en tout cas pour le, pour pouvoir. Mais moi je pense que vraiment la situation telle qu'elle se présente, hier j'ai suivi le ministre porte-parole du gouvernement euh, euh, j'aurais aimé qu'il y ait plus euh, d'apaisement, un appel en tout cas à, l'apaisement. C'est-à-dire que une fois qu'on est face à une situation où il y a quand même une, mort d'homme, quelqu'un est, est, décédé, donc la situation à partir de cet instant, elle est assez grave pour s'arrêter et franchement, créer les conditions euh, d'apaisement, en tout cas, pour qu'on puisse vraiment euh, avancer. Mais tel que on envisage, euh, par exemple, la présence de l'autorité de l'État, il me paraît évident que lorsqu'on détient l'autorité, le pouvoir, le pouvoir a le monopole de la violence, donc il n'a pas besoin d'affirmer qu'effectivement il doit le faire. Mais je pense que dans un, dans un truc, de, un cadre vraiment, une bonne communication, aurait voulu, en tout cas hier, qu'on nous présente euh, une situation telle que la disposition d'esprit, en tout cas, de pouvoir. Euh, nous, nous allons euh, revenir sur la manière de la gestion même de, cette crise, comment est-ce que cet abré événement a été géré. Mais restons dans ce petit cadre de, de, la violation de la franchise. On sait que, par exemple, il y a eu des déclarations de la CNDH, la Commission nationale des droits humains, et du SNEX, le syndicat des enseignants-chercheurs, qui ont écrit et stipulent que l'ordonnance 99 pour demander une intervention de la force, ce qui fait dire qu'il y a eu violation des dispositions de la loi relative aux franchises universelles. Alors on se demande où se situe euh, donc euh, euh, la vérité. Tout à l'heure, on, soulevait la, l'affirmation du ministre qui aurait hein. reçu l'autorisation de la part du recteur Jafar Maman. Oui, non, ici il faut il faut se dire la vérité. Hein, je, je, sais de quoi on parle quand on parle de franchise universitaire. On a tous été dans les syndicats. On est tous milité euh, milités au sein de Lyonoun à un certain moment et on sait que ça n'a jamais été respecté. Et c'est déplorable. C'est déplorable puisque euh, euh, c'est vrai, la, la, le, le, rapport de, de CNDH a, a, tout juste pris en compte la situation actuelle. Mais j'aurais voulu qu'il fasse un rapport pour mettre un accent particulier sur la négligence le refus de, des autorités de respecter la, réglementation sur euh, la franchise universitaire. Ça n'a jamais été respecté. Tous les mouvements, on peut rappeler si on a du temps, vous allez voir tous les mouvements et la répression policière au niveau du campus universitaire, ça n'a jamais été euh, euh, sanctionné par d'abord une autorisation en bonne et due forme de la, de, de la nécessité d'intervenir. De, C'est toujours spontané et on constate que dès que les policiers arrivent pendant quelques minutes euh, d'affrontement, ils se retrouvent au sein du campus universitaire, ils se retrouvent dans les facultés, ils se retrouvent dans les, dans restaurants, dans les, dans les bibliothèques, et ça n'a jamais été respecté. Je pense que c'est l'occasion de ramener la question de, de, respect des, des textes et lois en vigueur. Et par rapport à ça, je pense que s'il y a eu assez de rigueur dans le respect de cette, euh, euh, réglementation, euh, on, allait éviter le, ce qui s'est passé, la mort, la mort de, cet étudiant innocemment euh, tué. Parce que dans l'affrontement, je sais comment ça se passe quand les policiers bloquent, les étudiants n'arrivent pas à, franchir le cordon policier, ils se retournent au sein du campus universitaire et ils se donnent comme moyen la réflexion comment engager le mouvement, comment euh, contre Ça veut dire qu'ils n'ont même pas eu cette chance, ils ont été délogés. Et dans ces conditions, si vous trouvez quelqu'un dans son sommeil, dans son dernier retranchement, il n'a d'autre choix que de se battre et la conséquence, elle sera catastrophique comme ce qui ah. vient de se passer. Alors, on a vu qu'après ces événements, il y a eu plusieurs réactions, que ce soit du côté des autorités, des acteurs de la société civile, des organisations de droits de l'homme et les avocats qui, pour faire le bilan, qui pour justifier, pour déplorer la situation vécue par les étudiants, et toutes demande, par exemple, par ailleurs, la réouverture du campus. Euh, Ousseini, euh, euh, Issa, je vais vous demander comment est-ce que vous avez trouvé les premières réactions des autorités Étaient-elles à la hauteur euh, de la situation D'abord, ils ont menti. Ils ont menti sur toute la ligne. Quoi, par exemple Quand on dit que l'étudiant, c'est à la suite d'une chute qu'il est mort, j'ai suivi le SGA. Il a dit qu'il a reçu à la nuque une, un tendu de bombe il a reçu. Et bien entendu, non, il, y a un minimum, quand même, il y a un minimum de pudeur. Même quand on, veut dissimuler les choses, il y a un minimum de pudeur. Une chute peut, Quand il est allé le voir, il dit que quand il l'a trouvé, il y avait les traces et machin et comme avait dit, il y avait dire, le choc, il a vu l'impact là. Qu'est-ce qui attire en plus votre attention par rapport à la réaction euh, des autorités sur cette situation Non, mais non, moi je vais dire, non, il faut cesser. Quand il y a un problème, il faut dire la vérité et, il faut il faut s'excuser, mais pas mentir. Pour dire, il n'y a pas eu mort d'homme. Il n'y a pas eu mort d'homme, il y a eu professionnalisme des forces de défense et des, pas des forces de défense, des forces de maintien de l'ordre. Mais où le professionnalisme le socialiste, vous venez, vous gazer les gens, vous rentrez, vous euh, violez une franchise, des franchises universitaires, vous rentrez, vous cassez. Et il y a même des vols de moto. Mais l'instruction vient d'où Ça vient d'où Il faut qu'on arrête. Moi, j'ai dit, quand on veut être démocrate, là, il y a des problèmes qui se passent dans tous les pays au monde. Mais les gens prennent leur responsabilité d'assumer. On ne veut pas assumer, on dit non. Non, non, non, ce n'est pas dans le cadre. Mais c'est dans quel cadre Ce n'est pas à l'université que l'enfant-là a été tué. S'il n'y avait pas eu la présence des forces de maintien de l'ordre là, est-ce qu'il allait perdre sa vie Je vous laisse répondre à cette question. Ah, non, mais non, je pose la question. Je pose la question parce qu'il y a des gens qui sont sortis, des gens qui sont venus grossièrement mentir parce que les gens sont des Alors, alors euh, Elhaj Mohamed Suleiman du journal Niger Inter, votre, votre appréciation de, la gestion euh, dont le gouvernement a fait preuve de, cette crise était-elle euh, à, la hauteur du... Le, constat, ce que dit mon confrère Issa Ousseini, justement, assumer, vous savez, face à une situation on se souvient tous du 9 février, même les militaires qui avaient pourtant les moyens, peuvent dire qu'on assume à devenir coupera parce que bien que le contexte, effectivement, déjà le mouvement démocratique, déjà les forces vives étaient euh, donc aux Donc vous voyez, il est très très euh, compliqué pour un, gouvernement, un régime démocratique, en tout cas un gouvernement en place démocratiquement, euh, qu'il vienne dire effectivement. Vous voyez, en fait, ce qui fait que maintenant, il va falloir maintenant présenter une situation euh, maintenant, comment les citoyens vont l'apprécier C'est toute la question. Effectivement, il me semble qu'en suivant l'opinion publique, ce que les gens ne semblent pas être satisfaits de la façon Et vous particulièrement, présenté, vous particulièrement, la, la, situation. Personnellement, en tant que citoyen, effectivement, euh, euh, je pense que l'idée de la chute n'était pas assez, franchement, vraiment élaborée. C'est-à-dire que je pense que euh, ça c'est un peu gênant de considérer que face à un affrontement, tout le monde sait qu'il y a affrontement, qu'on dise que l'étudiant, c'est vraiment, je pense que c'est pas un truc fragile comme un, de, de mm. jouer, quoi. Je pense que de ce point de vue-là, ce n'était pas assez cohérent. Euh, mais bon, qu'est-ce que vous voulez euh, Alors, on a, on a, vu, la société civile qui a récemment fait euh, une déclaration et qui demande à ce que la population sorte marché le 19 avril pour soutenir, pour que justice soit faite. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne option De ce point de vue, moi, je, suis la situation non seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi au niveau des acteurs. Il y a véritablement des gens qui sont très sincères dans ce combat mais effectivement, il y a des gens qui veulent effectivement instrumentaliser cette situation. Nous avons vu des gens présenter des images euh, de la guerre civile en Centrafrique, euh, euh comme euh, des étudiants nigériens qui, qui ont été donc massacrés ou tabassés le, lundi passé, ce qui est archi faux. Quand vous suivez ces images-là sur Google, vous allez voir effectivement que tout simplement c'est de la machination, c'est de la manipulation et cela vraiment est proprement vraiment euh, machiavélique et c'est pas vraiment sérieux. Euh, maintenant, je pense qu'effectivement, euh, il y a les forces, en tout cas, sincères au niveau de la société civile, au niveau donc des citoyens, qui veulent maintenant manifester pour chercher à créer les conditions vraiment, d'abord, que l'école euh, reprenne, parce que ce n'est pas seulement l'université, c'est l'école de façon générale qui est un peu euh, bloquée, la situation est un peu plombée. Donc, chercher à débloquer la situation, c'est un combat. Créer les conditions maintenant que justice soit rendue justement à, à, ceux qui sont morts, en tout cas aux, en tout cas aux victimes, c'est aussi une cause euh, assez noble de, de, de, de, le faire. Mais maintenant, ceux qui voudraient véritablement aussi de cela demander en tout cas qu'il y ait une sorte de révolution dans ce pays-là, je pense qu'ils se trompent franchement de, contexte. Jafar Maman. Oui, euh, commençons d'abord. Pour que justice soit rendue, est-ce qu'il euh, il faille passer par le. Euh, non, vous savez, nous sommes dans un contexte démocratique où toutes les, toutes les, les, situations sont susceptibles d'être exploitées, par, que ce soit par les dirigeants, ou par les acteurs politiques de l'opposition ou même par la société civile, par les, associations de défense des droits de l'homme. Nous sommes chacun est dans son rôle et chacun sera jugé en fonction de, de, l'acte qu'il pose et le peuple aura à trancher euh, qui fait véritablement un combat, cette, cette manifestation, avant d'arriver à la manifestation, moi, je, je, je je, je, suis toujours chagriné euh, dans des contextes de communication de crise quand le, gouvernement sort ou un représentant du gouvernement sort pour faire brosser une situation, vraiment, ça, ils ont un problème de communication en période de crise. Et là, c'est extrêmement euh, grave dans un contexte démocratique quand on ne sait pas communiquer avec son peuple, quand on ne sait pas euh, suivre, la, savoir euh, Jafar, est-ce que, vous pensez que, vu tout ce qui se passe, est-ce que vous pensez que l'année académique peut être sauvée Comment Bel et bien, l'année peut être sauvée puisque les problèmes que, les étudiants ont posés ne sont pas si compliqués à résoudre, contrairement à ce qu'on voit avec les enseignants. Là où c'est encore compliqué euh, au niveau de, euh, des enseignants contractuels et autres, pour les cas des de scolaires, leurs revendications sont euh, susceptibles d'être réglés définitivement. Maintenant, la question de, de, de, de sortir marché pour revendiquer, je dis là, dans le contexte actuel, moi je ne trouve pas ça la meilleure option. Nous avons la possibilité. Et la même chose d'ailleurs dans, dans, les manifestations. Et j'ai l'habitude de le dire avant qu'il y ait ces cas-là. Le contexte change. Le contexte de lutte change, le contexte de revendication change. On a beaucoup de Pour vous, l'option de la marche n'est pas dans ce contexte. Dans le contexte actuel où euh, la situation est un peu tendue, je pense que une autre euh, option doit être envisagée. De, c'est votre, avis oh, mais La tension n'a pas baissé. La tension n'a pas baissé, malheureusement. Aujourd'hui encore, il y a eu quand même euh, <laughs> quelques sorties un peu ici et là dans les quartiers de Niamey. Ce que je veux dire tout simplement, on est au gouvernement, on est l'État pour gérer les questions sociales. Il y a eu des protocoles d'accord, aussi bien avec les étudiants, aussi bien avec les scolaires, aussi bien avec... Quand vous prenez un engagement, quand vous avez des difficultés, pour pouvoir appeler le partenaire pour lui dire on est en difficulté, voilà la situation telle qu'elle se pose. Vraiment, on veut prendre une autre chance pour pouvoir régler tel ou tel problème. Mais on ne va pas se mettre dans son coin pour dire non. Mais quand les chances arrivent, le problème n'est pas réglé. Il faut toujours s'attendre. Personne ne veut qu'il y ait des troubles. Personne. peut Personne. Mais je suis désolé. Deux trimestres sans école. Parce que moi, je peux considérer, le premier trimestre, il n'y a pas eu du tout d'école. Deuxième trimestre, de janvier à, fin mars, il n'y a pas eu d'école. Parce qu'il n'y a pas eu d'école, il n'y a pas eu un mois de cours quand on doit accumuler. Mais on va sauver l'année en quoi faisant on, menace de l'autre côté les enseignants. Parce que tout à l'heure, Jafar a dit, bon, c'est Rapidement, nous allons conclure ce sujet Il a dit que c'est, comme on avait dit, pour le cas des contractuels. Mais les contractuels, c'est eux qui sont dans les classes. Dans les régions, de, dans, dans, dans, à l'intérieur du pays, c'est les contractuels, y compris dans les 30 centres Mais quand il n'y a pas ces enseignants-là, même si les élèves vont chaque matin, mais qui, qui, vont les encadrer c'est pas les contractuels. Ça, ça va de pair. Alors, ou on règle le problème de manière globale, ou bien on considère que. Mais moi, je ne vois pas par quel. Comment vous êtes, vous êtes pessimiste Non, moi je suis pessimiste. D'accord. Nous passons. L'année scolaire, c'est 9 mois. nous passons au suivant sujet euh, qui, nous ramène sur le plan judiciaire. On sait que mercredi passé, l'acteur de la société civile Michael Zodi, comparu au tribunal de grande instance hors classe de Niamey, pour rappel, il est poursuivi pour avoir touché son salaire d'enseignant régulièrement sans exercer. Lors de cette audience du mercredi, il a été requis contre lui euh, l'emprisonnement de six mois ferme et une amende de 50 000 est délibérée et prévue pour le 18 avril prochain. Alors, Jafar, quelle issue vous, voyez pour euh, ce dernier Bon, euh, avant d'arriver à lui d'abord, moi je dis que c'est une situation, je l'ai appréciée dans plusieurs contextes, même si ce n'est pas le même, la, même, le même cas. Mais parlons de lui. Oui, parlons de lui. C'est pour vous dire, mais ça, ça a un lien. Pour comprendre sa situation, il faut aller au sein de l'administration nigérienne. Euh, il faut aller en profondeur pour savoir qu'est-ce qui a engendré le Kamekelzut. Peut-être que celui qu'on a vu, que celui qui est devant Vous la dire qu'il y a des exemples. Mais, mais, euh, est-ce que euh, il, s'est il attribué une une note de prise de service qui permet au, à l'administration de considérer qu'il est sur le terrain et qu'il doit avoir un salaire et qu'elle a touché, qu'on lui a autorisé depuis tout ce temps pendant trois ans son salaire. Il y a quelqu'un qui autorise, qui signale qu'un tel a pris service et à partir de ce, de ce constat, il peut avoir un salaire. Il est qui ce monsieur qui est représentant de l'État, qui est protégé par l'État, qui a, qui, a, qui a même été privilégié par l'État un responsable avec des indemnités. Vous vous rappelez de l'affaire du ministère des Finances très rapidement pour vous faire les liens et comprendre que le problème n'est pas, moi, sans, aller dans le code pénal et comprendre euh, la, la, jurisprudence à ce niveau, à cet effet, je dirais qu'on doit le considérer comme complice on doit considérer Michael comme, comme complice, et, chercher au sein de l'administration le vrai le vrai acteur de, de, de, cette situation. Mohamed Suleiman, c'est votre point de vue euh, Bon, c'est comme vous l'avez dit vous-même, c'est une affaire pendante, euh, euh, donc la justice. Le délibéré prévu pour le juge. Hein. donc, dans tous les cas, on saura quel traitement va être fait. Mais j'ai seulement une observation, c'est que euh, c'est vrai, au niveau du juge, euh, on va présenter Moïkazoud comme un citoyen euh, qui a un dossier dans une affaire bien précise. Mais au niveau de l'opinion, on sait que c'est un acteur de la société civile, donc par conséquent, quoi qu'on fasse, les gens vont faire le lien en réalité, c'est parce que. Ça ne doit pas être le cas. Les jeunes non, je suis en train de, en fait, vraiment, mon, constat, c'est c'est indissociable, en tout cas, les gens vont considérer qu'effectivement, c'est justement pour cette raison. Donc, en réalité, il y a, comme je l'ai dit ailleurs, euh, des leçons à tirer. ce que quelque part aussi, le pouvoir, euh, donc, euh, s'était senti peut-être à raison de poursuivre, comme notre confrère Alpha Baba. Donc, c'est bien quand même gênant, encore une fois, qu'on arrive justement à ce, à, ce, à ce niveau. Mais quelque part aussi, peut-être que euh, lorsqu'on est sur, le terrain, en tout cas, du combat citoyen, il faut autant que faire se peut aussi euh, qu'on donne, qu'on presse la par l'exemple. C'est-à-dire que lorsque le pouvoir a beau fouiller, vous n'avez pas de, casserole, en tout cas, euh, on peut, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, ce qui fait que, de mon point de vue, véritablement, c'est indéniable, le pouvoir voudrait véritablement taire euh, donc euh, cet acteur de la société civile. Et bon, vous savez, en matière de pouvoir, en Afrique particulièrement, euh, ça se voit effectivement. Récemment, nous avons vu ça au Sénégal, par exemple, le maire, euh, parce qu'effectivement, il, il, veut être euh, candidat aux, élections présidentielles. Bref, c'est des situations qu'on voit un peu partout en Afrique. Ousseini ça, le cas Michael Zodi, il y a Baba Alpha, le journaliste aussi, dont on. Baba Alpha. Pendant combien d'années il a exercé sans problème ici, dans ce pays Tout le monde le sait, tout le monde connaît Baba Alpha, il a exercé et tout et tout. Un bon matin, quelqu'un se lève, on va, on fouille dans sa vie. Moi, je dis c'est dangereux. Parce que si on doit se mettre à fouiller dans la vie des gens, on va trouver, y compris au sein du pouvoir, des gens qui, qui peuvent être et euh, comme avait dit, inquiétés. Suleiman disait tout à l'heure que pour se donner à certains, à certains combats, il faut. Dans un contexte de. Moi, je vais bien. ça se voit en France et tout, et tout, un peu partout, même dans le cadre de la campagne euh, euh, présidentielle là, qui se déroule en France. Il y a des révélations qui sont faites, mais il y a des limites. Il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Mais les gens, ils créent les conditions et on actionne immédiatement la justice parce que c'est ça le problème, l'instrumentalisation de la justice. C'est ça le problème. Le cas de, eh, comment avais-je dit, Michael. Mais moi, bon, bon, bon, bon tant qu'à faire, on n'a qu'à fouiller. Il y a combien de gens qui ont été dégagés au niveau, comment dirais-je, où on les dégagés de leur poste Tous les matins, ils vont, ils vont au travail. Ils font juste acte de présence, ils s'en vont. Parce que tout simplement, on ne leur confie aucun dossier. Le monsieur, on l'a fait pendant trois ans. Pendant trois ans. Et c'est aujourd'hui seulement qu'on constate que, un bon matin, quelqu'un se réveille, on dit non, voilà le cas de ce monsieur. Pendant trois ans, il a perçu le salaire, il n'a pas travaillé. Mais si on ne me donne pas du travail, dans le cadre de l'enseignement, où on t'affecte dans une classe, dans un établissement où tu dois enseigner, où on t'affecte dans une administration scolaire où tu dois assumer une tâche. Mais on ne le fait pas on attend trois ans et un bon matin, on se lève, on dit non, non, non. Oh, mais c'est quand même bizarre de toucher aussi de, le salaire. Non, j'ai dit, il y a un suivi qui doit être là. Ah non, je suis désolé, mais pourquoi je ne vais pas prendre mon salaire Pourquoi je suis. Non, je vais prendre mon salaire. Parce que j'ai été recruté, j'ai matriculé, on m'a mis en solde. Vous allez prendre votre salaire. Nous allons, nous allons continuer. On m'a mis en solde. Nous, nous, allons continuer sur ce chapitre judiciaire pour noter euh, donc euh, cette plainte contre X déposée par les organisations de la société civile dans l'affaire dite euh, Iranium Gate euh, pour faire la lumière sur les 200 milliards dans la vente d'uranium. Une semaine après cette dépôt de plainte, le doyen des juges d'instruction a demandé une caution de 20 millions comme frais de procédure afin d'ouvrir une enquête. Je vous propose tout de suite de suivre Gamache Mahamadou, qui est membre du collectif des associations de la société civile. Elle trouve le montant trop élevé. Et nous, nous avons estimé que les, les de 20 millions sont vraiment très, très élevés par rapport à une action quand même citoyenne de la société civile. Vu la situation dans laquelle nous sommes, vu quand même c'est que, en tout cas, euh, la soif des Nigériens de savoir ce qui s'est passé, nous avons estimé que le douane des juges, normalement, nous ne devons même pas nous demander quand même beaucoup de sous. Jamais je n'ai entendu une telle caution demandée par le douane des juges par rapport à une action citoyenne. Est-ce que vous pensez que cette caution limite euh, votre action Nous avons décidé d'aller jusqu'au bout. Nous allons mobiliser ces sous des 20 millions. Nous allons demander la contribution de tous les citoyens pour que nous ayons ces 20 millions déposés devant le droit de justice pour qu'il ouvre cette information. La caution 20 millions n'est-elle pas exagérée proportionnellement à la somme de 200 euh, moi, je pense effectivement que. Elle a déjà Suleiman Mamadou. Je pense que effectivement cette caution est un peu comme c'est un peu trop demandé à la société civile. Mais comme eux-mêmes reconnu, euh, cela dénote aussi d'une avancée dans le dossier parce qu'au moins il y a la volonté donc de faire ce, ce travail, en tout cas de faire cette investigation. Mais euh, lorsqu'on interroge les professionnels, ils disent que effectivement ce dossier suppose euh, d'aller à l'extérieur euh, parce qu'il y a des pays donc qui sont cités où il faut aller là-bas donc faire des investigations. Donc c'est ce qui justifie donc ce, montant. Mais à la limite de notre en tout cas situation, donc on peut on pourrait penser que ça pourrait être comme une obstruction, une obstruction en tout cas une façon de, de bloquer la société civile. Euh, mais bon, l'un de l'autre, euh, je pense que le plus important dans cette affaire-là, c'est déjà, une commission d'enquête parlementaire qui est en train de faire euh, le, travail, si encore au niveau de la justice. Parce que le plus important pour les citoyens, effectivement, il faudrait qu'on sache que ce qui s'est passé parce que quand même, euh, c'est une affaire qui a quand même euh, fait beaucoup de tollé au niveau du, pays. Donc, euh, moi, je pense qu'il va de soi. Et encore une fois, moi, ce que je regrette dans nos pays, en tout cas chez nous, en, Afrique particulièrement, vous voyez, par exemple, en France, récemment, dès qu'on avait indexé François Fillon, il a dit eh, immédiatement eh, il faut qu'on m'écoute. Vous voyez, même s'il n'a pas en tout cas euh, désisté. la même façon, par exemple, le ministre de l'Intérieur, euh, Bruno Leroux, il a démissionné. voyez, mais chez nous, pourquoi effectivement Parce que allant devant les tribunaux, vous faites montre de votre bonne foi que maintenant, euh, si effectivement vous êtes lavé par la justice, vous pouvez revenir encore avec plus de fierté que vous n'avez pas commis ce qu'on vous reproche. Jafar, Maman, euh, cette caution demandée de 20 millions pour pouvoir ouvrir une enquête, vous, comment vous, appréciez euh, cela <laughs> Ce n'est pas l'aspect ah. exorbitant qui m'intéresse, c'est l'aspect euh, procédural. Est-ce que c'est prévu par la loi Si oui, je pense que il n'y a pas de problème, on peut, parce que ce qui est sûr, elle a été étudiée par les juridictions pour comprendre euh, ce que vaut le dossier et ce que ça peut, ça peut coûter au tribunal. Je me rappelle dans d'autres contextes, il y a eu, des, organes de presse, des médias qui ont été euh, à un certain moment confrontés à ce genre de situation en procès avec des, des euh, personnes extérieures euh, et il y a euh, un semblant de caution de 10 millions pour, euh, aller dans le fond de dossier. Mais pour le cas présent, je pense que c'est pas, c'est ce que j'ai dit, c'est pas le montant qu'il faut voir, c'est la procédure. Est-ce que réglementairement il est prévu de poser une question Si oui, si oui, c'est déjà une avancée. Ça permettra d'aller au fond, puisqu'on a l'habitude de voir dans ces pays une plainte qui engage le gouvernement ou un, un membre du gouvernement elle est difficile à traiter. Et mm. si on arrive déjà à partir de la justice à déclencher le processus, je pense que c'est de suivre et de faciliter que ce, dossier soit jugé. votre point, est-ce que c'était nécessaire d'engager cette procédure alors que l'Assemblée s'en est occupée euh, Pourquoi pas Moi, je pense que <laughs> dans l'enquête parlementaire, on pouvait faire l'économie et puis directement que la justice se saisisse. C'est une affaire qui n'a pas été niée. C'est une affaire. Comme l'affaire des bébés importés, on a vu ce que ça a donné. Qu'on fasse le parallèle. De la même manière, voilà une affaire où le concerné en personne est sorti. Personnellement, il a dit dans quelles conditions, dans quelles circonstances ça s'est passé. Mais pourquoi on va tergiverser De l'autre côté, on s'est auto-saisi. Et de ce côté, on dit, voilà, on ouvre l'enquête parlementaire. L'enquête parlementaire, là, ça va donner quoi il faut qu'il y ait justice. Mais quand même, la caution doit être donnée. La, la caution, la caution a été qui va être plus rapide. Non, oui, la caution, d'accord, la caution, mais l'État peut prendre en charge une partie. Si tant est qu'il y a la volonté pour qu'il y ait la lumière autour de ces 200 milliards là, c'est une question de. Non, moi, n'est pas une question partisane. Il faut que la justice. On ne peut pas faire les deux poids deux mesures. On ne peut pas continuer comme ça et penser qu'on peut asseoir une démocratie viable. En Occident, en Europe, on voit comment les choses se passent. Parlons, parlons pour finir ce forum de, de ce poste euh, acquis par le Niger euh, sur le plan sous-régional. Il s'agit du poste tant courtisé, celui du président de la Commission de l'Union économique et monétaire, IMOA, poste que le Niger a disputé avec le Sénégal. Et on a vu que c'est Abdel Labroima, le Nigérien, qui a été désigné nouveau président de, de cette commission le lundi 10 avril à Abidjan en Côte d'Ivoire. Abdallah, qui est un ancien ministre des Finances, il est également, il a occupé euh, la fonction jusqu'ici de commissaire chargé des politiques économiques et de la fiscalité intérieure. Alors, euh, votre mot, qu'est-ce qui a permis à Niger de décrocher, Non, je ne sais pas comment les choses se sont passées. il y a eu beaucoup de tirades autour de cette affaire, de tiraillements plutôt autour de cette affaire, mais c'est une bonne chose pour que le Niger puisse finalement avoir ce poste. Moi, pour moi, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que ça représente pour le Mais Niger c'est important pour le Niger parce que la commission de l'IOMA, c'est une commission très importante au niveau des huit pays de la sous-région. Et que, bon, ben, il est là, il représente, on va dire, c'est le Nigérien. Mais du point de vue de la gestion de la commission même, il y a d'autres acteurs qui sont là des autres pays. C'est qu'il ne peut pas, euh, c'est pas parce que c'est un Nigérien qui va privilégier le Niger. Il est là pour les huit pays. Il doit travailler pour les huit pays. Elle euh, Elage Suleiman Mamadou du journal euh, Niger. une bonne euh, nouvelle pour le Niger. Absolument. Cette affaire-là, je vous assure que moi, qui est franchement, entre autres confrères qui ont suivi ce dossier, il parce a un enjeu national. Cette affaire-là, il faut. C'est Le président de la République a pris de, tout son poids pour que ça aboutisse. Savez-vous que véritablement, Macky Sall était déterminé justement à refuser l'engagement écrit euh, quand il a euh, juste à quelques euh, deux trois semaines de la, de la rencontre, il écrit à, Ouattara pour dire de nommer euh, Diop, donc tout à fait. Et maintenant, Ouattara vise le chef d'État et à ce moment, le président a dit que cette requête, ni dans la forme, ni dans, dans le fond, n'est pas acceptable. Et, et c'est comme ça que véritablement, on ne peut pas faire autrement. Le président Issou, en tout cas, a tout fait pour que ce poste revienne au Niger. Maintenant, euh, Concrètement, qu'est-ce que ça représente pour le Niger d'occuper ce poste Le plus important, c'est que le Niger a fait bouger les lignes parce que véritablement, et, ces pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Bénin, ils ont intérêt vraiment à ce qu'on maintienne le statu quo, euh, à savoir, il n'y a pas de rotation, la BCAO pour la Côte d'Ivoire, euh, l'UMOA pour le Sénégal et la BOA pour le, pour le Bénin. Mais en tout cas, il a fait en sorte que cela, en tout cas, change. C'est ça. Moi, je pense que, euh, en tout cas, la diplomatie nigérienne, en tout cas, a, vraiment fait bouger les lignes. Euh, Jafar Maman, c'est parce que le Niger vient d'occuper. Euh, au-delà de votre appréciation, quels sont les principaux défis auxquels ces nouveau nouveaux doit s'atteler le, défi, c'est de booster l'économie de, de, ce pays, de, huit régions, des, huit oui, des, huit pays, qui, forment le je pense que c'est un, challenge exceptionnel pour lui. On sait que l'IOMOA a, aujourd'hui honoré depuis un certain nombre d'années après le passage du Malien, euh, euh, comment il s'appelle, qui a donné, qui a engagé des réformes, Soumel Sissé, qui a engagé des réformes. Euh, à un certain moment, l'IMOA n'est pas une institution aussi considérée. Mais depuis qu'il a eu ces réformes, c'est devenu un enjeu. Je pense que c'est à lui aussi démontrer que la diplomatie nigérienne ne s'est pas battue pour rien le franc CFA hein. aussi figure parmi des sujets qui sont débattus ces derniers jours. Bon, là, c'est encore au-delà de la question de l'IOMOA pour, le, franc CFA. Mais ce qu'il faut dire, c'est de booster. Il y a deux enjeux. Booster l'économie euh, euh, de, de, des pays membres, et aussi euh, laisser euh, ça marque euh, euh, au sein de cette institution-là. Maintenant, là, il y a des aspects qu'il faut lier à cette, la force de la diplomatie nigérienne. Au fait, il faut comprendre que si depuis un certain temps, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Bénin se sont imposés dans le cercle des, institutions sous-régionales, ce n'est pas la diplomatie seulement. Mais là, il y a des enjeux qu'on oublie. merci, merci, merci. Merci, nous sommes au, terme du forum de ce soir. Nous étions avec euh, Jafar Maman, directeur de publication du journal indépendant, Ousseini Issa, journaliste indépendant, et Laj Suleiman Mamadou, journaliste euh, du journal Niger Inter. Présentation à la Sankouzi, réalisation Diallo Mariama Kenda, à la technique euh, Hassan Tawai. Bonsoir.